m'appelle Ney Aram Touré. Je suis la coordonnatrice de la rédaction BTV. Je suis journaliste et présentatrice du journal 20h. Je m'appelle Marie Pen, Madame Meng. Je suis monteuse. Je suis caméraman. C'est un peu la routine, quoi. C'est les tournages que nous faisons le, jour pour le journal, mais il il faut d'abord la réunion euh, de coordination du matin. Comme ça, c'est dans toutes les rédactions. Euh, on définit les tâches, on discute entre nous, on choisit des sujets sur lesquels euh, on veut euh, rebondir par rapport à l'actu. Et c'est ce que nous faisons passer le soir et dans les éditions de la journée. il m'arrive aussi de sortir pour aller tourner mon émission qui parle d'environnement. c'est chaque quinzaine. Donc, c'est ce que nous faisons tous les jours, la réunion à 15h, ensuite correction des reporters pour après le soir, après l'édition, pouvoir visionner et savoir ce qu'il faut faire, ce qui a lieu d'améliorer dans la journée de, demain. C'est un peu ça l'idée. C'est mon formation euh, secrétariat de direction, là, assistant là. donc euh, je pense que par hasard peut-être le moment où je suis monteur parce que mosuma woon xalaat ne faire def métier monteur. C'est na métier bu passionnant parce que chaque jour da ngay jàng chaque jour da ngay jàng lu parce que technologie bi au fur et à mesure nous dem avancé. avancer donc chaque jour da ngay jàng Nous ne rek man monteur là, je suis opérationnel parce que tout le temps affaire yi dafay changer technologie yu le di logiciel yu bees tout le temps tu es obligé de te remettre à niveau pour gën a mokkal li ngay def gën a mën tu xam fan ngay sa euh, dama def formation ba suis génn am mon diplôme après ma def ay stage et tout je suis maa ngi ci santé au début c'était difficile mais woon parce que tamit euh, pour nga au wu ci terrain bi et tout day metti nga fay et tout mais à la fin adapté wu nañu te métier bi dafa nek lo xamné que man mako choisir et mako bëgg donc euh, lu ci mënti am rek je suis obligée et de de de m'adapter à ça il y a pas de problème quoi. Ce qui commence déjà à être un problème c'est l'âge. Parce que peut-être euh, certaines personnes se disent euh, elle est trop jeune, elle n'est pas en mesure de pouvoir euh, diriger des personnes ou de donner des directives, mais je pense qu'on devrait déjà dépasser cette façon de penser. si on prend exemple dans les autres pays, très tôt, on est très mature, prêt à subvenir à ses propres besoins. C'est un peu l'idée qu'on m'a inculquée. Donc j'ai été dans une famille dans laquelle très tôt après le bac, c'est aller à l'université et tout, il faut voyager et euh, il faut prendre en, compte ce, volet-là et on est obligé de se prendre en charge soi-même, même si on a quelque part le soutien de la famille, mais dans une rédaction pas très évidente. Je dois dire, euh, moi je privilégie le dialogue. Euh, je suis très taquin des fois parce que je me dis c'est la meilleure façon de faire passer les choses pour pas que les gens sentent que c'est un or, parce que je n'aimerais pas être un gendarme. Je pense toujours que c'est une collaboration et il faut tout le temps faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise. Mais euh, on essaie de faire avec. C'est compliqué, mais on fait avec. Chacun avec son tempérament. Il y a certaines personnes, il est beaucoup plus facile de leur parler parce qu'ils te disent, euh, écoute, euh, c'est le travail, d'accord, qu'est-ce que je dois faire Tu leur dis ce qu'ils ont lieu de faire. Mais non, pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils peuvent sentir leur ego assez malmenés, ils peuvent se dire que euh, bah, ça ne devrait pas se passer comme ça, elle n'a pas à me donner des, ordres, et ce qui fait que ça peut poser problème. Maintenant, euh, c'est tout le temps essayer de mettre euh, en avant l'aspect coopération, l'aspect discussion, pour que les gens ne pensent pas que c'est des ordres qu'on leur donne. Mais ce n'est pas évident de parler à un homme et de lui donner des ordres et lui dire c'est ça que je veux. Maintenant, il faut arriver à un moment, certes, il faut une collaboration et tout, mais à un moment donné, il faut savoir taper sur la table. Parce que ce qui compte, c'est le travail fini. Et je pense que après, quand on dit que le journal s'est bien passé, que euh, tout a été bien fait, qu'on reçoive des, compliments et tout, c'est tout le monde qui gagne, c'est pas seulement moi, c'est les autres. Donc ce qui fait que il faut tout le temps euh, pouvoir privilégier le dialogue, mais aussi il faut savoir prendre des dispositions. C'est là avec mes collègues franchement je pense que c'est la de ak parce que les pour bëgg liggéey bi euh, gën a jëm kanam mo waral ñuy am ay friction tout le temps image bi baaxul cadrage bi baaxul euh, filmage bi nañ ko filmer et cetera et cetera donc loolu motax tout le temps ñuy am problème entre ñun mais je pense que man ak samay collègue, à part euh, liggéey bi amuñu benen problème budul budul budul dul dal goor souvent buggul jigen diko diko diko ko wala diko wax defal lii wala defal lé mais lépp c'est dans le cadre du travail parce que après le cadre du travail je pense que waruñu am un problème budul budul bu da je pense. des fois damay guddee wacc c'est parce que damay way tournage et tout mais bon sama famille ils arrivent à me comprendre et puis ça va je suis en sécurité su ma dañ may déposer sama cœur, voilà quoi il y a pas de problème terrain bi franchement gars yi dañu bax et tout mënoon nekk kii la et tout mais ça ñëwé dañuy tijji voix yi xam nga sympa ak ñun donc euh, ça va terrain bi rêve santé yalla ñoy góorgóor gor mooy moy lima lay wax rek bo bëggé li ngay def euh, lu mënti ñëw rek dang kay dékku. de plus en plus les femmes commencent à s'affirmer hein, à montrer euh, qu'elles ont leur mot à dire euh, qu'elles euh, valent quelque chose qu'on n'est pas seulement euh, disons utile à la maison qu'il y a des métiers qu'on peut faire. Euh, maintenant, peut-être bien que ça va être un peu difficile, mais je pense qu'avec déjà l'ancien président de la République Ouad, il a toujours mis en avant l'aspect euh, parité. Il faudrait que des femmes puissent être dans des instances de décision. Et euh, à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, ce n'est pas, pas très évident parce que tous les jours, c'est difficile par rapport à ce qu'on croise et tout. maintenant, c'est tout simplement se dire qu'on est des femmes, on a notre mot à dire. Et il faudrait que dans tout ce qu'on fait, qu'on montre qu'on est bien et qu'on peut le faire aussi bien que les autres. Ce n'est pas chercher à rivaliser avec les hommes, tel n'est pas le cas, mais tout simplement montrer qu'on est aussi apte que de pouvoir prendre certaines décisions et de faire certains travaux bu ñu demee tey ba jigéen di nek maçon di nek euh, caméraman di nek euh, je peux dire di di qui euh, euh policière et tout bu ñu demee ba ñu dugg ci métier yooyu c'est parce que voilà quoi monde bi dafa évoluer et tout donc que goor lu muy def légui jigéen mën ko def je trouve que ligue yooyu jigéen mën ko def du pardon jamono ju tollu na fo xamné amatuñu ben ligue buñ nane bi pour goor la wala bi pour jigéen la jigen war na mun def bépp liggéey parce que on a vu récemment des femmes mécaniciens des femmes tôliers jigen yu nekk di liggéey yenn liggéey yo xamné manœuvre lay laaj donc je pense que jigen war na ligue a lépp pour mën subvenir aux besoins de sa famille. yokk jom gëna gëna am fulla ci ñi def parce que tamit dara bo ci nekké dama gëm né bo ci nekké li nga xamante ni koy def nga gëm ko bëgg ko. bul toppatoo leneen sa liggéey da nga ko war a fonk bëgg ko xam nga bu boobaa après di nga ci am réussite di nga ci am li nga bëgg di ñaax sama mbokk jigéen ñu gën a góorlu gën a fonk seeni liggéey di wax ne di leen wax daal ñu gën a góorgóorlu daal te di di jaajëfal sama waa kër parce que tamit euh, jàppale nañ ma ci ci métier bi et tout jàppale nañ ma ci lépp lu mu bëgg moo soutenu, voilà. 8 mars bi dañu fait a gën a parce que les gens sont trop trop trop si si foyer am balaa nga koy xam nga yeew fajar dañuy gis ay jigéen yoo xam dañuy yeew fajar gàddu sen njaboot di liggéey sen liggéey da nga leen dal. parce que fajar bi ñuy 6 h du matin 5 h du matin pour rien que pour mën am subvenir aux besoins de leur famille moi je pense que surtout les femmes qui sont malades les malades du cancer euh, femmes accouchées, accouchées femmes rurales donc je pense que nous devons trouver place dans la société. Quand on pense à celles qui sont tout le temps dans les champs, celles qui se réveillent très tôt le matin, euh, celles qui nous ont donné la vie, parce que même si elles ne sont pas au niveau des bureaux et autres, elles sont à la maison et à leur manière, elles aussi, elles contribuent euh, à l'avancement de ce monde. Donc à toutes ces femmes-là, on leur dit merci. Merci de nous avoir euh, aidé de nous avoir montré la voie, parce que que ça soit côté religieux ou non, on se rend tout le temps compte qu'il y a des femmes qui ont toujours porté le combat, qui ont toujours été en avant pour montrer que le, le, le, monde ne peut, ne peut avancer sans les femmes. Donc, euh, rien que pour ça, on doit les remercier. Je pense très fort à toutes les personnes, je parle surtout des femmes, puisque c'est à elles euh, est dédiée cette journée, à toutes ces femmes-là qui sont dans des métiers assez difficiles, mais qui y croient et qui pensent que si elles font, si elles font pardon, euh, les choses nécessaires, si elles se donnent la force et tout, leur progéniture ou leurs enfants pourront en bénéficier. À toutes ces femmes-là, on leur dit merci. Et euh, je continue de croire qu'il euh, y a des belles choses qui vont arriver et que ces personnes-là devraient être les premières à pouvoir bénéficier de ce qui va arriver.